le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Si vous venez de nous capter, sachez que vous suivez les programmes de Studio Kalango à travers 20 radios partenaires disséminés dans les 8 régions du Niger. Il est 18h15 Le forum de Studio Kalango, c'est maintenant. Chaque jour du lundi au vendredi, nous débattons avec des personnes ressources des questions qui vous tiennent à cœur car notre objectif, c'est d'être avec vous au cœur de vos préoccupations. Le Forum de Studio Kalango, un espace d'échange d'idées. Bonjour. Bonsoir à tous, euh, bienvenue. Très ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, et merci de préférer les programmes du studio Kalangu. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. Présentation, Diallo Mariama Kenda. Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies avec ces différentes grandes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur notre capitale et autres villes. Hier encore, notre capitale a été arrosée d'une grande pluie. Le monde paysan se félicite de ce phénomène naturel qui favorise la production agricole. Le revers de la médaille, c'est souvent les catastrophes naturelles et les maladies que provoquent ces pluies quand elles sont fortes ou abondantes. Nous avons encore en mémoire ces nombreux décès occasionnés par des averses qui se sont abattues ces dernières semaines. Que l'on soit en période de chaleur ou en saison des pluies, chaque saison vient avec des facteurs avantageux, mais aussi des désagréments. Et dans ces derniers, il existe des petits virus, des bactéries, des insectes qui provoquent des maladies de saison. Et qui dit plus, dit humidité et eau stagnante, des facteurs qui favorisent la prolifération de certaines maladies auxquelles enfants, femmes enceintes et personnes âgées sont les plus exposées. Quelles sont-elles Comment les éviter Que faire quand on en souffre Et quelle attitude en termes d'hygiène et d'assainissement doit-on observer Nous en parlons ce soir. Vous l'avez deviné, le thème de cette émission, la recrudescence des maladies en saison des pluies. Nos invités, docteur Tahirou Amidou, allergologue. Bonsoir, docteur Tahiro. Bonsoir, Et docteur Maman Hima, conseiller en santé et environnement. Bonsoir, docteur Maman Hima. Bonsoir. Merci d'être venu. Nous ferons dans un premier temps le point des maladies récurrentes et les catégories de personnes concernées en saison pluvieuse. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des manifestations et des traitements. Pour terminer, nous verrons comment faire pour se protéger contre ces maladies. Chers invités, voilà, docteur euh, Tahirou, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes allergologue. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est qu'un allergologue un allergologue. En fait, je suis spécialiste de l'allergologie. L'allergologie, c'est une discipline médicale, c'est une spécialité de la médecine qui étudie et qui traite les maladies allergiques. Voilà donc euh, pour nos auditeurs euh, la définition. Vous savez à présent euh, à quoi vous en tenir. Est-ce que l'on court plus de risques de contracter des maladies en saison des pluies qu'en période de chaleur au Niger Merci. Je remercie le studio Kalangu de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ces maladies qui sont euh, à recrudescence pendant la saison des pluies. Je, veux, je dirais que la maladie, c'est toutes les saisons, mais ce qu'on appelle les maladies saisonnières. Certaines maladies, on les voit plus pendant la saison des pluies et que d'autres. Sinon, la maladie, ça concerne toutes les saisons. Quelles sont les maladies qui reviennent chaque fois en saison pluvieuse Nous sommes avec vous, euh, docteur Maman Hima. Vous êtes donc euh, conseiller en santé et environnement. Ce que je voudrais dire, euh, c'est qu'effectivement, pendant cette période de pluie, même si mon cher collègue l'a souligné tout à l'heure, effectivement, les maladies, c'est à toute période de l'année. Et lui, particulièrement aujourd'hui, sa tâche doit être assez difficile pour lui, puisque pendant cette période, comme il y a une prolifération euh, surtout euh, des insectes et puis euh, des pollens aussi, puisque on entend dans une grande phase de pollution et de pollinisation. Et bien sûr, il va les développer à toutes les maladies respiratoires dont il va faire un peu, il va décliner un peu les différentes maladies qui sont assez récurrentes et qui prennent des proportions importantes euh, en termes de consultation, de crise et même parfois euh, de décès ou de chez des personnes. Maintenant, en dehors des maladies respiratoires euh, qui, dont il fait face énormément, nous avons les maladies, je dirais, dues aux, les maladies infectieuses qui sont liées des troubles gastro-intestinaux. Dedans, il y a tout un lot qui va des simples, disons, des dysenteries, des diarrhées simples des dysenteries euh, provoquées par des protozoaires, notamment les amibias, la fièvre typhoïde qui prend un peu de l'ampleur puisque euh, c'est lié à ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, le phénomène euh, d'assainissement. Alors donc on peut bien dire, confirmer que ces conditions d'hygiène, en, tout cas, accélèrent ou favorisent toutes ces maladies. Oui, les conditions d'hygiène aussi, mais aussi surtout le manque de prévention en termes euh, d'assainissement. Euh, nous sommes, euh, on, le dit, hein, c'est des maladies liées, on dit des maladies des mains sales, mais c'est pire que, c'est plus que ça, parce que c'est quand même un, phénomène de non prise en compte de toute cette dynamique sociale, et de mode de vie et aussi des différentes difficultés auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque nous vivons, je ne dirais pas à côté des détritus et des déchets, mais nous vivons dans les déchets à Niamey. C'est lié à plusieurs facteurs, on ne va pas rentrer dans les causes. Mais donc le premier aspect, c'est des troubles gastro-intestinaux. Euh, deuxième type de problème que nous avons, tout comme euh, tout à l'heure nous avons vu, c'est une phase aussi dans laquelle euh, la vie renaît, au Sahel particulièrement. Les insectes prolifèrent éventuellement avec l'eau vient la vie. Et bien sûr, euh, nous avons euh, tous les moustiques et nous avons certains vecteurs euh, comme les cafards et même les petits rongeurs aussi qui sont en phase, je dirais, de croissance. troisièmement, il y a le phénomène d'humidité qui favorise, qui crée un milieu ambiant qui permet aux bactéries, aux virus de se développer. Maintenant, en termes de santé publique, il y a d'autres actions euh, qu'on peut constater, notamment, vous l'avez appelé tout à l'heure, euh, vous avez parlé d'affaissement des maisons, mais aussi, euh, nous avons aussi souvent des ruptures qui se font au niveau des voies. Et ceux qui mettent, parfois, isolent souvent certaines populations pour lesquelles l'accessibilité, pour les différents intervenants, que ce soit les équipes mobiles, ou bien même euh, les ONG et tout qui interviennent auprès de ces populations vulnérables ne peuvent pas avoir accès à ces populations pendant toute cette période. Au-delà, euh, un autre phénomène aussi, euh, certaines zones deviennent quasiment des îles un peu isolées et elles-mêmes, souvent, ils ont des problèmes aussi en cas d'urgence ou de problèmes particuliers de se déplacer pour aller vers les centres de santé tout ceci augmente à la mortalité, à la morbidité, et qui fait que, euh, de manière globale, il y a des actions à prendre pour prévenir euh, justement cet état de fait. Alors, on va donc avancer et on reviendra sur euh, les méthodes de, prévention. Je suis avec donc le docteur Tahirou. Certaines de ces maladies, c'est vous qui choisirez comment on les contracte avant de parler de la façon dont les contrats, moi je voudrais d'abord ajouter sur euh, ce que le docteur avait avancé tout à l'heure. Il faut parler du paludisme pendant la saison des pluies, ça c'est le maître mot. Avec euh, les eaux stagnantes, la pluie qui inonde un peu partout. Il y a les moustiques qui prolifèrent, qui font des larves dans les cours d'eau stagnantes et le nombre de larves augmente, de moustiques augmente, le nombre de piqûres augmente, donc assurément il y a l'incidence du paludisme qui est doublée, voire même un triplement de l'incidence du paludisme pendant la saison des pluies. Alors, docteur Taïro, on peut dire que le paludisme est quand même l'une des maladies qui fait ravage pendant euh, cette saison? Sans aucun doute, ça, c'est vraiment la principale pathologie à laquelle les cliniciens sont confrontés. Ça, c'est le paludisme. Et est-ce qu'on a des chiffres, peut-être, dans les centres de santé, par exemple, où, on peut voir l'augmentation des, patients Oui, je n'ai pas de chiffres exacts, mais quand j'ai discuté avec des santé publiques, des spécialistes de la santé publique, ils m'ont fait comprendre qu'il y a un triplement de, de l'incidence du paludisme pendant la saison des pluies par rapport aux autres saisons. En dehors du paludisme, il y a les maladies liées au, au péril fécal, vous savez, pendant les saisons sèches. Docteur, c'est quoi le péril fécal Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. <laughs> pendant la saison sèche, les, les populations, les enfants surtout, vont déféquer dans les cours d'eau, dans les anciens cours d'eau asséchés. Et là, pendant l'hivernage, ces cours d'eau se remplissent. Et puis, vous voyez tout ce qu'il y a comme parasitose de tout ce qu'il y a comme agents microbiens qui sont dans ces matières fécales se remettent en circulation et ces enfants vont jouer encore dans ces cours d'eau, ils vont avaler, ils vont se salir dans ces cours d'eau. Donc il y a des risques de parasitose, de maladies diarrhéiques qu'on voit plus pendant la, la saison des pluies. Ensuite, il y a dans ma spécialité ce qu'on appelle les rhinoconjonctivites, comme le docteur l'avait souligné tout à l'heure avec la période de pollinisation, il y a beaucoup de plantes qui fleurissent pendant la saison des pluies. Et le pollen, vous, êtes, vous savez, c'est l'agent de fécondation des plantes. Vous savez, les plantes, il y a les mâles, il y a les femelles. Maintenant, pour féconder les femelles, les mâles envoient de véritables aérosols de pollen dans l'air, ce qu'on appelle le pollen anémophile, qui est véhiculé par le vent qui va se déposer sur les femelles. Et nous respirons tous ce pollen et certains développent justement des pathologies allergiques par rapport à ce pélone, ce qu'on appelle les rhinoconjonctivites allergiques. Mais malheureusement, le problème au Niger, moi, je connais pas du tout les pollens. En tant que spécialiste de l'allergologie, il y a un travail de fond à faire parce qu'il faut qu'on capte nos pollens, qu'on les standardise et qu'on les teste sur nos populations. Et pour arriver à ce niveau, il faut vraiment faire un travail de recherche, un travail de fond. Tous les pollens que j'ai, bon, il y a certains comme les graminées qui sont chez nous, mais il y a d'autres pollens qui sont des pollens qui viennent un peu d'Europe. Comme ils ont fait ce travail de fond depuis des siècles, nous, on n'en est pas encore là. Alors, euh, docteur, nous retenons que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de cette maladie, de ses manifestations, pour plus euh, la connaître. je me tourne donc vers euh, docteur Maman Hima, qui est donc spécialiste en santé et environnement. Les personnes les plus concernées dans cette période, est-ce que ce sont les enfants Oui, moi je dirais que tout le monde est concerné, mais à degrés différents. C'est vrai qu'en ce qui concerne les enfants, les nourrissons, les jeunes enfants, compte tenu déjà de leur, euh, la faiblesse de leur état immunitaire. Et souvent aussi, il faut se dire les choses, nous sommes dans un pays où euh, nous avons souvent chez les enfants des multiparasitoses qui font qu'ils sont déjà affaiblis. nous avons parfois des troubles alimentaires parce que la malnutrition est quand même assez, dans des proportions assez importantes au Niger, qui donnent déjà des faiblesses euh, au niveau des organismes. Troisièmement, parfois la couverture vaccinale, elle n'est pas complète. Tout ceci crée une forme de vulnérabilité chez les jeunes enfants et qui font que, effectivement, en ce qui concerne le palu ou d'autres maladies d'ailleurs, parasitoses ou bactériennes ou infectieuses, où ils sont une cible, une population cible quand même euh, euh, dans lesquelles on, on constate beaucoup de mortalité. Mais au-delà, tout à l'heure on avait posé le problème d'hygiène, parce que tout ceci tourne autour euh, de l'hygiène. Je le disais tantôt, nous, sommes, nous vivons dans les déchets. En milieu urbain, aujourd'hui, euh, c'est d'abord, euh, nous avons des problèmes d'évacuation des eaux de pluie. Nous avons des problèmes de traitement des mares ou des eaux stagnantes. Nous avons des problèmes d'inondation. Et ces problèmes d'inondation qui font que les gens ont les pieds dans l'eau pendant une période plus ou moins importante, qui va créer aussi des maladies de la peau. Troisièmement, l'humidité prenant des proportions importantes, ça crée des biotopes favorables à la croissance et au développement des bactéries et même des virus. Et tout ça, ça expose plus les enfants. Ça expose plus les enfants et les populations adultes aussi. Maintenant, un phénomène d'ailleurs qui est assez, qui, dont on a fait mention courant avril 2017 au Niger, c'est euh, par exemple l'hépatite E, où on a directement lié, comme euh, mon confrère l'a dit tout à l'heure, euh, cette liaison entre le péril fécal et certaines maladies émergente. L'hépatite E, tout le monde sait que euh, c'est à travers la mauvaise qualité de l'eau que la maladie se contracte. Maintenant, quand euh, nous voyons un peu l'accessibilité à l'eau potable dans nos régions qui est assez faible, quand on se rend compte que les populations se déplacent parfois, font une dizaine de kilomètres pour avoir accès à l'eau potable, en saison des pluies, les gens consomment directement l'eau des mares ou des, eaux stagnantes. Deuxièmement, nous avons des sources d'eau, notamment des puits, qui peuvent être contaminés par l'eau de ruissellement. Et l'eau de ruissellement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec euh, la défication à l'air libre, qui est une des pratiques compte tenu du niveau de développement de nos pays, et ça devient de l'eau parfois donc tout ceci pour dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la prise en charge complète, complète de cette dynamique entre les ressources à nous disponibles. Alors, docteur, je, suis obligé de vous arrêter parce que là, on va, on, c'est un sujet qui concerne donc la troisième partie de cette émission. Euh, euh, docteur euh, Tahiro, donc je, rappelle que vous êtes euh, allergologue. Qu'en est-il pour les personnes âgées, leur situation dans cette période pour les personnes âgées, c'est un peu la même chose. On va rencontrer aussi des cas de rhinite et de rhinoconjonctivite allergique, des cas d'asthme. Et tout à l'heure, docteur le disait, le fait que qu'il y ait l'humidité, euh, c'est mouillé partout, des gens qui marchent à faire les pieds sont trempés à tout moment, on peut avoir des pathologies dermatologiques comme ce qu'on appelle les pieds d'athlète qu'on rencontre au niveau des orteils. L'inflammation, c'est des intertrio, des érythèmes au niveau des, plis interorteils. Et euh, voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, en ce qui concerne toujours euh, les, enfants, est-ce qu'on peut dire au docteur Mamanima qu'ils connaissent véritablement les mêmes problèmes que les personnes adultes. Est-ce qu'il y a une différence près par rapport à, cela Non, les enfants, je dirais que ça se manifeste de manière beaucoup plus aiguë et de beaucoup plus grave. D'abord, euh, souvent les enfants ne sont pas sous surveillance. Tout à l'heure, mon confrère le disait. Euh, bien sûr, euh, on a tous passé à travers ces âges où les enfants ont tendance à aller s'amuser dans l'eau. Aller s'amuser dans l'eau, c'est-à-dire être carrément s'immerger soi-même dans un milieu totalement inapproprié dans lequel il y a des bactéries, il y a des virus, pire encore, souvent des substances solides qui ont été traînées, drainées par l'eau. Ils peuvent avoir des tessons de bouteilles, euh, ils peuvent avoir des boîtes de conserve ou des objets tranchants dans lesquels ils peuvent être en contact et qui peuvent créer chez eux soit des plaies béantes, des petites blessures ou bien même euh, pour avoir, être en contact avec un objet souillé dans lequel ils peuvent avoir, ils peuvent euh, développer une maladie comme le tétanos. Donc les parents doivent faire extrêmement attention pour demander aux enfants de ne pas aller s'amuser dans ces eaux stagnantes-là, parce qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est totalement opaque. Deuxième phénomène quand même qui est assez important qu'il faut dire à cette, à cette période, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent être amenés à ingurgiter l'eau. C'est-à-dire À boire l'eau au moment où ils sont en train de se baigner dans cette eau. Et ça, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est la porte ouverte à toutes les maladies diarrhéiques. C'est la porte ouverte à des maladies extrêmement graves comme le choléra. C'est la porte ouverte à des maladies euh, aussi comme euh, toutes ces maladies comme euh, pourquoi pas la fièvre typhoïde, les amibias et consorts. Alors, docteur, ça veut dire au cours de cette période, ces enfants, euh, à part le paludisme dont a parlé le, docteur Taïro, quelles sont vraiment les maladies qu'on peut dire ah, si dans cette saison, quand on amène un enfant à l'hôpital, on peut dire si c'est pas le paludisme, c'est telle maladie, ou bien Vraiment, ça varie. La liste, euh, est-ce qu'elle est exhaustive Non, c'est une liste assez large. On l'a dit tout à l'heure. Nous avons, il a parlé tout à l'heure des maladies. Oui, docteur, docteur Tahiro, oui, allez -y. Souvent, on déparasite systématiquement les enfants qu'on amène pour un palu. C'est vraiment des choses qui sont souvent associées. Ça va de pair. C'est la saison des pluies. Ça vient avec la saison des pluies. En ce qui concerne les maladies de peau, par exemple, est-ce qu'il y a particulièrement des maladies qu'on constate euh? Chez les enfants, il y a ce qu'on appelle le prurigo qui est une sensibilité exagérée. Euh, Prurigo. Prurigo. C'est une dermatose prurigineuse qui gratte et qui est souvent due à une sensibilité exagérée aux piqûres d'insectes chez certains individus, notamment les enfants et euh, non qui disent que c'est une réaction allergique à la, aux enzymes contenues dans la salive de certains insectes comme les moustiques. Vous allez voir ces enfants avec des lésions rondes au niveau des zones exposées, au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Vous allez les retrouver avec quelques lésions un peu liquidiennes. Alors si c'est une maladie, voit euh, surtout pendant l'hiver. Si c'est une maladie récurrente, on va parler de ces manifestations lors de, de cette euh, deuxième partie euh, de l'émission. Alors est-ce que vous confirmez, docteur Mamanima, que ces maladies sont essentiellement causées par les eaux usées Non, on ne dirait pas forcément par, euh, exclusivement par les eaux usées. Vous savez, il faut regarder la chaîne de transmission. Comme on l'a dit tout à l'heure, les eaux usées, dedans, toutes les eaux sales, donc comme on l'a dit le péril fécal tout à l'heure, euh, on voit, nous sommes dans un milieu tropical et les maladies infectieuses auxquelles nous sommes confrontés, nous avons dit, c'est des maladies soit parasitaires, soit bactérienne, soit virale, euh, ou bien euh, ça peut être des trucs d'intoxication aussi. Maintenant, hum, il est bon de souligner que, comme vous avez abordé tout à l'heure les, maladies de la peau, euh, c'est une période avec l'humidité, comme l'a dit tout à l'heure, le pied d'athlète, entre autres, mais il y a aussi des phénomènes comme les champignons, notamment la gale ou la teigne qui peuvent aussi prendre des ampleurs pendant cette période uniquement parce que avec l'humidité, avec un peu de chaleur, le confinement, tous les champions peuvent se développer pendant cette période. C'est très propice. Mais euh, le fait pour les enfants, puisque c'est d'eux que nous avons commencé à parler, d'être en contact permanent avec l'eau, d'abord le contact avec la peau, deuxièmement une possibilité pour eux d'avaler de l'eau totalement polluée dans laquelle des bactéries, des virus, des parasites peuvent se trouver, ça peut donner une porte ouverte à une multitude de maladies. En général, pendant cette période, effectivement, il y a un élément déclencheur de la consultation, mais au-delà, vous avez toute une panoplie de maladies qu'on découvre en même temps au moment où on amène l'enfant en consultation. Vous écoutez le studio Kalangu, vous êtes donc en direct euh, dans cette émission le forum du studio Kalangu qui euh, traite des sujets très importants du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons donc de la recrudescence des maladies en saison hein, pluvieuse. Donc, dans cette deuxième partie, docteur, je parle de nos invités, docteur Tahiro et le docteur Maman Hima. Nous allons parler des manifestations de ces maladies et nous commençons par le paludisme que docteur Tahiro a, bien noté comme étant une maladie euh, de cette saison qui, atteint. Le paludisme est endémique de chez nous. Il y en a toutes les saisons, mais surtout il y a une recrudescence pendant la saison des pluies. Alors docteur, on commence par les manifestations pour le paludisme en ce qui concerne. Oui, le paludisme chez nous, c'est essentiel la fièvre, euh, les diarrhées, les, les, vomissements, les courbatures, c'est les, signes classiques que tout le monde connaît chez nous. Bon, au-delà, il y a des formes qui peuvent être graves. Il y a ce qu'on appelle le neuropaludisme qui peut s'associer avec des, on retrouve des convulsions. Il y a les paludismes graves, formes anémiques qui créent des anémies sévères. Donc, voilà, essentiellement. Docteur Maman Rima, a vu d'un enfant atteint de paludisme ou une personne atteinte de, paludisme, à part peut-être ses premiers symptômes, comment on peut euh, reconnaître Il a dû expliquer, hein, il a pas, c'est les signes cardinaux. Mais maintenant, euh, ce qu'on peut juste dire, euh, c'est que c'est une maladie pour laquelle euh, nous avons tendance à la banaliser. Est-ce qu'on a des, sensations peut-être de fatigue qu'on peut-être euh, confond souvent avec euh, ah, j'ai trop travaillé ou Bien sûr, on le prend, mais pas au niveau des centres de santé, ça c'est au niveau des cellules familiales, hmm. puisque nous avons. je parlais des cellules familiales oh. avant. Vous savez, nous avons une tendance, même en milieu urbain, hein, à ce que les gens ont tendance souvent à minimiser certains signes ou bien eux-mêmes à se prendre, à, se, comporter comme des agents de santé. Alors que l'agent de santé lui-même, quand vous allez le voir, euh, après l'examen clinique, euh, donc l'examen physique, euh, il est obligé de faire des examens complémentaires, soit des prises de sang, soit des certaines explorations, qui sont des outils d'aide au diagnostic. Donc c'est quand même, il faut profiter des avancées de la science et de la disponibilité des agents de santé et de la performance aussi des dispositifs qui sont mis en place au niveau des centres de santé. Parce que l'agent de santé lui-même, souvent, à, travers, après la prise de température, euh, l'examen physique, notamment regarder si plus ou moins il y a un tableau d'anémie, une appréciation exacte de la fièvre. Parce que la fièvre, c'est une notion qui peut être relative. Quelqu'un peut penser qu'il fait une très forte fièvre, d'autres peuvent penser euh, que la fièvre elle est bénigne alors qu'il est déjà à 39-40 degrés, surtout les peuples qui ont tendance à cacher un peu leur euh, maladie. Donc, mes cousins un peu, là, je les attaque un peu. Hmm. Donc, à partir de ce moment, il, faut venir dans les centres de santé. Deuxièmement, euh, malheureusement, les gens arrivent tard. Alors, à partir de 40 degrés ou bien en, en Bien avant, la fièvre, quelle que soit, dès qu'on dépasse 37 degrés 2, elle demande une prise en charge, quelles que soient les raisons. Deuxièmement, souvent les gens, ils ont tendance parfois à faire de l'automédication, c'est-à-dire euh, s'en prendre un peu aux symptômes, et la maladie, elle, elle évolue. Les gens arrivent tardivement. Et plus tu arrives tardivement, plus le schéma thérapeutique et les différents protocoles qui sont pris en qu'on doit mettre en place pour prendre en charge nécessite beaucoup plus de moyens et parfois aggrave l'état même de la maladie. Donc ici, c'est pour dire que euh, le maître mot, c'est la consultation précoce. Parce que vous pouvez avoir un début de fièvre peut-être autour de 18 heures. Je ne vois pas pourquoi vous allez attendre amener le malade dans un tableau d'urgence à 4 heures du matin où les risques, ou disons euh, la, la probabilité d'une meilleure prise en charge par le personnel soignant lui-même euh, devient de plus en plus difficile. Alors docteur, à partir de quel moment à l'hôpital, quand un patient vient dans ces conditions, on peut dire que la maladie, le paludisme est mortel pour ce patient Le paludisme peut être mortel à tout moment. C'est une maladie mortelle, elle n'est pas à négliger. Euh, c'est justement, elle passe par des phases et ça dépend aussi de l'état même de la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'a pas une pathologie associée Est-ce qu'elle n'est pas euh, une défaillance de certains organes, euh, comme le cœur, comme les reins, etc. et tout Dans tous les cas, il faudra euh, que nous soyons assez responsables pour nous-mêmes, pour les membres de notre famille et surtout pour les enfants ou les personnes extrêmement âgées. Donc il faut venir le plus tôt possible. Ça donne la chance à ce que la personne puisse répondre à une thérapeutique efficace, adéquate qui peut permettre aux agents de santé de, de, pouvoir endiguer ce mal qui dont on vient de constater. Et le traitement du paludisme, docteur Hima. pour terminer ce chapitre du paludisme et passer au docteur Tahiro, quel est le traitement le traitement actuellement, la tendance, c'est ce qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Euh, on, on en est arrivé là, mais si vous voulez, on peut dire que, euh, si vous voulez, en termes de traitement, ça dépend de d'abord de plusieurs éléments. D'abord de la densité parasitaire. Euh, deuxièmement, de l'état dans lequel le malade se trouve lui-même. Parce que si on est arrivé, il n'y a pas de signes associés, tels que des vomissements, des pertes de connaissances, des diarrhées, etc. et tout, on peut faire un traitement parfois oral, Mais dans certaines conditions, parfois, on est obligé de passer à des stades beaucoup plus euh, supérieurs, etc., pour une meilleure prise en charge. S'il y a, par exemple, un effondrement de la pression artérielle, si on a une anémie extrêmement forte, parfois il faut même transfuser. Donc il n'y a pas un cas standard. Là, ça relève, si vous voulez, de l'approche et de la prise de décision au niveau euh, des agents de santé qui, je le dis, sont très bien formés, qui sont très disponibles et qui savent exactement la thérapeutique exacte qui convient à chaque cas. Parce que c'est ça. Il n'y a pas un traitement, je dirais, il y a le traitement, c'est lié au cas, à, l'état de la personne. Mais ce n'est pas un traitement standard. C'est l'état euh, dans lequel euh, la personne se présente qui va conduire de mettre en place un protocole pour pouvoir faire face justement à la pathologie. Docteur euh, donc euh, avec vous, nous allons parler des, surtout de maladies de, peau. Euh, tout à l'heure, vous avez cité euh, deux maladies. Vous avez parlé d'une première maladie véhiculée, j'ai bien noté, les, pollens. Oh. les pollens. Les pollens, oui. Oui, je disais que le pollen, c'est l'agent de fécondation des plantes. Et les plantes mâles qui envoient le pollen dans l'air. Et puis, nous respirons tous ce pollen. Hmm, et il y en a qui développent une hypersensibilité qu'on appelle allergie. Ils développent une allergie par rapport à ces pollens. Et ces allergies se manifestent sous forme d'asthme. Il y en a qui font de l'asthme pendant la saison des pluies, d'autres font de la rhinite, d'autres font de la rhinoconjonctivite avec les yeux qui grattent, ça tousse un peu partout. Et ce qu'il, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que les pollens, et il faut vraiment qu'on connaisse les pollens de chez nous, puisque pour prouver que telle pathologie, tel asthme ou telle rhinite est liée à tel pollen, il faut faire des tests d'allergie. Et vous disiez que c'était très compliqué, docteur. Oui, là, présentement, je fais des tests d'allergie par rapport aux acariens, par rapport aux cafards par rapport à d'autres allergènes, mais pour les pollens, c'est encore plus compliqué. Si vous remarquez, au moment où les, pendant la saison des pluies, quand les plantes fleurissent, les arbres fleurissent, il y a beaucoup de rhinites. Mais bon, on peut, on peut donner qu'un traitement symptomatique. On peut, je ne peux pas dire que c'est lié à tel ou tel pollen parce qu'il faut vraiment mettre des capteurs de pollen. Alors, capter comment ce pollen. quelqu'un qui a la rhinite, par exemple Bon, la rhinite, c'est surtout le, il y a les signes classiques, il y a ce qu'on appelle le paréo, quelqu'un qui gratte le nez, qu'il euh, est éternue, le nez qui coule, qui se bouche. Parfois, ça va jusqu'à la perte de l'odorat et jusqu'à la perte du goût chez et, certains. Et on peut confondre la, la rhinite au rhume oui, c'est le rhume en fait qu'on appelle la rhinite. D'accord. Voilà, donc ça peut être une rhinite persistante ou une rhinite intermittente. C'est surtout les rhinites intermittentes qu'on voit pendant la saison des pluies qui développent des rhinites par rapport aux pollens qui sont dans l'environnement, les rhinites saisonnières. Mm, d'accord. Est-ce que vous avez eu des cas de cette maladie qui vit par les pollens mm, Oui, j'ai eu des cas de gens qui sont à côté des, des rizières qui font des rhinites aux, graminées. Le riz, c'est une graminée qui, fait, qui provoque le pollen du riz, provoque des, de la rhinite chez les riverains des rizières. C'est un pollen qui ne va pas loin. Mais en dehors du, du riz, il y a beaucoup de plantes chez nous. Le capoquier, le nîmes qu'on voit partout, qui, le, le, moringa, les papayers. Il y a beaucoup d'arbres chez nous que, dont je n'ai pas les pollens et qu'il faut forcément qu'on capte les pollens, les standardiser pour tester sur nos populations. Et ça veut dire que les populations sont très exposées alors je peux dire qu'il y a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de, il y a de la végétation, on peut dire qu'en ville, chez nous, à Niamey, il y a de la végétation. Et quand il y a la, il y a la végétation, forcément, il y a du pollen. Et comment on traite euh, cette maladie Bon, pour les rhinoconjonctivites, euh, c'est surtout les antihistaminiques, il faut d'abord faire des tests d'allergie pour voir euh, quel est l'allergène. Une fois qu'on détecte l'allergène, on donne un traitement symptomatique. On donne des mesures d'éviction d'abord. Comment éviter ces allergènes Justement, pour les pollens, c'est très difficile. Il y en a un peu dans, tout l'environnement. Le docteur est quelque chose. Il y en a pratiquement dans dans l'atmosphère. Bon, c'est vraiment difficile. Mais après l'éviction, on donne un traitement symptomatique à base d'antihistaminique, parfois on va jusqu'au corticoïde, mais le traitement de, aussi bien pour la rhinite que pour l'asthme, le, gold standard en fait, c'est de faire une immunothérapie, ce qu'on appelle immunothérapie spécifique, ce qu'on appelait anciennement des sensibilisations. c'est-à-dire il faut aller jusqu'à donner à l'individu son propre allergène à dose progressivement croissante pendant des années jusqu'à ce que l'organisme acquiert une certaine tolérance par rapport à cet allergène. C'est ça le traitement idéal pour l'allergie. Alors cette deuxième maladie dont vous parliez qui affecte beaucoup les enfants. Oui, le prurigo. Voilà. Oui, le prurigo, c'est, je disais qu'il y a une sensibilité exagérée de certains individus à la piqûre des insectes. Et on sait que pendant les, la saison des pluies, il y a beaucoup d'insectes, à commencer par les moustiques. Bon, d'autres auteurs disent aussi que c'est dû aux sécrétions salivaires, aux enzymes contenues dans les sécrétions salivaires de ces insectes. Et vous remarquerez plus les lésions sur les zones exposées, notamment l'avant-bras, les, les, les jambes, là où les habits ne couvrent pas, c'est des enfants qui sont exposés à la piqûre des moustiques. Vous allez voir des lésions rondes. Là, on en reçoit beaucoup pendant la saison des pluies. Il y a même des formes bulleuses il y a des formes de lésions un peu liquidiennes. Il y a beaucoup de mères qui viennent en consultation avec euh, ce genre de bon. Là, on leur conseille surtout de les protéger contre les moustiques. Et, là aussi, est-ce que euh, il y a particulièrement un traitement Oui, il y a un traitement. Il faut, il faut, ça gratte. Surtout, c'est le principal caractéristique, le maître symptôme, c'est le prurite. C'est des enfants qui dorment pas. Donc, il faut donner des antihistaminiques Souvent, quand c'est euh, sous on ajoute un peu, on met une couverture antibiotique et avec euh, des bains antiseptiques, normalement, on arrive à bien gérer. Alors, comment donc se protéger de toutes ces maladies euh, dans cette période, en saison des pluies Nous retenons le paludisme, plus le paludisme avec Dr Maman Hima. Comment est-ce que les parents ou les individus doivent s'y prendre pour se protéger contre cette maladie Bon, il faut aller dans une donnée, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de se soustraire au pucul de moustiques. De se soustraire au pucul de moustique parce que, euh, à l'heure actuelle, avec l'eau, il y a une forte éclosion et les vecteurs se multiplient. Donc, il faut, il y a d'abord des comportements, je dirais, qui, relèvent des municipalités. Il faut procéder au traitement des eaux stagnantes, des mares, et il faudra vraiment poursuivre un peu euh, tous les niveaux des gîtes et en tout cas des sources. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut beaucoup sensibiliser la population sur, euh, au niveau de leur habitat. Parce que euh, souvent, on demande aux gens souvent d'enverser de, même les bassines, les bassines d'eau ce que les gens utilisent comme euh, des ustensiles de cuisine, etc. et tout. Et même les boîtes de conserve, parfois qu'elles sont juste ouvertes. S'il y a de l'eau dedans, ça suffit pour que les anophèles viennent prendre leurs yeux. Alors, docteur, même si c'est de l'eau propre dans la cuisine Bien sûr, il suffit de l'eau. Pour que, ça suffit pour que l'anophèle vienne prendre ses yeux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut insister sur euh, l'utilisation au niveau de protection individuelle, sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Troisièmement, il faut insister aussi sur le traitement du cadre de vie, notamment euh, les maisons, la pulvérisation d'insecticides souvent le soir au coucher. Maintenant, pour les populations rurales, nous savons qu'à l'heure actuelle, souvent les, nos parents se déplacent pour aller vivre dans les champs. Ils s'établissent pendant longtemps dans les champs, parfois pendant deux ou trois mois, pendant toute la campagne hivernale. Mais là, ça veut dire qu'ils se rapprochent même des moustiques. Donc là, on va leur demander au moins, il faut qu'il y ait des actions de sensibilisation ou la mise à disposition de ces populations-là, au moins de moustiquaires imprégnés, et de leur demander, autant que faire se peut, de faire les cases ou leur habitat temporaire loin de, de l'eau, de l'eau stagnante. Parce que si tu vas, le moustique qui se cherche même pour son repas, si tu vas à côté, tu lui facilites la tâche. <laughs> parce que tu t'amènes toi-même euh, à, son propre niveau. <laughs> Ouais. Et ça, c'est quand même. Et surtout les peuls ils ont surtout cette habitude-là d'aller vivre autour de C'est dommage qu'il n'y ait pas un peul ici pour vous répondre. Ah, pour aller, c'est mes cousins et je sais de quoi je parle, donc je leur demande quand même de faire un peu attention et de, de ne pas aller trouver, euh, je dirais, le vecteur dans son habitat. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire. Ça, c'est quand même une... Mais c'est surtout les communes qui ont beaucoup à mhm. faire en termes euh, de traitement et d'élimination des principaux vecteurs. Maintenant, il y a un autre facteur, un autre facteur dont je mhm. voudrais en venir tout à l'heure. Vraiment, euh, les mouches et les différents insectes, les cafards et les rongeurs comme les rats et les souris aussi, vraiment aujourd'hui participent à la prolifération de beaucoup de maladies comme la typhoïde, comme euh, les amibes et la dysenterie. tout simplement parce que ces insectes, les mouches notamment, et les cafards les rongeurs passent à travers des zones totalement saines, transportent les différents vecteurs, les différents, les différents parasites, que ce soit des bactéries, que ce soit des parasites, pour aller, les, les disons, polluer des aliments, entre autres. Alors, docteur, rapidement, un dernier mot avant de passer la parole au docteur. Ajouter, si vous permettez, oui, par rapport aux cafards, c'était à vous que j'allais donner. Il avait évoqué les cafards, donc je voudrais ajouter concernant les cafards que c'est la deuxième source d'allergènes à la ville de Niamey après les acariens. Là, c'est un véritable phénomène. Vous savez qu'un couple de cafards peut avoir entre 35 000 à 100 000 descendants en un an d'où une éradication difficile et c'est vraiment une source la deuxième source d'allergène après les acariens dans la ville de Niamey quand nous avons fait les études à travers des tests chez les patients. Alors docteur, comment, en ce qui concerne ces maladies de peau, comment est-ce que euh, on doit se protéger Oui, comment se protéger Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est vraiment difficile de se soustraire des, des moustiques, mais surtout, je pense qu'avec les moustiquaires imprégnés, les campagnes de sensibilisation et ne pas laisser les eaux stagnantes. Les, simples boîtes de conserve dans une maison remplie d'eau, il faut les dégager. les cafards Pour les cafards, c'est vraiment un problème. L'une des meilleures façons de ne pas avoir des cafards, vous savez, la plus grande concentration d'allergènes de cafards, c'est dans les cuisines les cuisines à cause des des restes alimentaires que, ces bestioles trouvent. Et l'une des meilleures façons de les chasser de votre habitat, c'est de ne pas faire de restes alimentaires, de faire la vaisselle aussitôt après le ah manger et renverser les les assiettes. Et puis là, ça les éloigne un peu des cuisines, mais ils restent dans les fosses dehors là. Vraiment, il faut traiter les maisons. On peut diminuer la charge. On ne peut pas les éradiquer en tant que telles, mais on peut diminuer la charge. Donc on peut diminuer les risques euh, de tomber malade. De tomber malade, exactement. Fidèles auditeurs, euh, nous sommes donc à la fin de cette euh, émission. J'étais en compagnie de docteur Mamman Hima. Il est consultant en santé et environnement. Et j'étais également en compagnie de docteur Tahiro allergologue. Retenons que la saison des pluies est très sensible aux maladies du fait de l'hygiène environnementale. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables aux maladies euh, comme le paludisme et euh, les maladies de peau. Voilà, c'est la fin. Au revoir. On se retrouve la prochaine fois.